le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz, Kwaratagi FM 90. MHz et Challenge FM 96.6 MHz. Notre page Facebook Studio Kalangu. Notre site internet www.studiokalangu.org. Nos émissions sont également sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou s'intéresse aux semences améliorées, importance, disponibilité et obstacles éventuels dans la chaîne euh, du secteur. Pour euh, développer euh, ce sujet, nous avons dans ce studio Madame Salamatou Hassan, directrice du contrôle et de la certification des semences à la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'élevage. Madame Salamatou Hassan, bonsoir. Bonsoir. Issoufou Salami, ingénieur agronome, coordonnateur de l'unité sémencière à l'Institut national des recherches agronomiques du Niger, INRAN. Salami Issoufou, bonsoir. Bonsoir, Nous attendons d'un moment à l'autre Madame Moussa Zainabou de la ferme sémencière à La semence est à juste titre le levier de commande du développement de l'agriculture car elle constitue le premier élément à travers lequel sont valorisés les autres facteurs de la chaîne de production. C'est cet état de fait qui a conduit les institutions d'intégration sous-régionale CDAO, UMOA, SILS à assainir la filière sémencière en élaborant un règlement régional portant harmonisation des règles régissant le le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans leur espace commun. Ces institutions admettent la semence comme un train essentiel dans l'atteinte des objectifs d'augmentation durable et équitable de la productivité et des revenus des producteurs agricoles. Madame Salamatou Hassan de la Direction générale de l'agriculture, quelle est l'importance des semences améliorées pour les paysans et les producteurs Les semences de variétés améliorées, ce sont des semences qui sont mises au point et ou adoptées de nouvelles variétés qui sont vulgarisées par la Direction générale de l'agriculture. Maintenant, pourquoi les semences améliorées on les appelle améliorées car elles sont mises au point et ou adaptées pour répondre aux conditions agroécologiques de notre pays. C'est ainsi que des variétés à cycle court, productives et résistantes à certaines maladies sont vulgarisées pour booster l'agriculture nigérienne et atteindre les objectifs de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Par rapport à l'importance des semences de variétés améliorées, vous l'avez dit tantôt, que la semence est à juste titre le levier de commande du développement de l'agriculture car elle constitue le premier élément à travers lequel sont valorisés les autres facteurs de la chaîne de production. Les autorités nigériennes, à travers le Haut Commissariat à l'initiative 3N et le programme de la Renaissance, acte 2, ont accordé une place de choix aux semences de variétés améliorées pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme place aussi les semences de variétés améliorées à une position très stratégique pour l'atteinte de ses objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ainsi, une augmentation annuelle de 20% de superficie d'emblavure en semences de variétés améliorées est souhaitée afin d'atteindre un niveau de production qui va permettre de résorber le déficit. Concernant toujours l'importance des semences de variétés améliorées dans l'agriculture, nous pouvons dire que ce sont des variétés améliorées, comme je l'avais dit tantôt, à cycle court, productives et résistantes à certains types de maladies. Elles arrivent à boucler leur cycle de production. De plus, le seul fait d'utiliser la sémence sélectionnée, une augmentation du rendement allant de 20 à 40 est observée. La semences sélectionnée apporte une meilleure réponse à l'utilisation des engrais. Est-ce que euh, les paysans et les producteurs sont conscients de l'importance de l'utilisation de ces semences améliorées Il y a certains qui sont conscients, mais à travers la Direction générale de l'agriculture, des campagnes de sensibilisation sont régulièrement données aux producteurs nigériens par des agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage du niveau national, régional, départemental jusqu'au niveau communal. Est-ce que les médias sont mis à profit pour euh, largement vulgariser ces semences améliorées Je dirais oui, car au niveau des régions et dans les communes, il y a des radios communautaires qui sont sollicitées pour vulgariser le message. Et en plus de cela, il y a même des distributions par e-voucher. Entendez par e des distributions de semences de variétés améliorées à travers les bons électroniques tout ça on passe par les radios communautaires et les crieurs publics, les leaders d'opinion au niveau régional. Madame Salamatou Hassan, comment se fait l'encadrement des paysans sur le terrain L'encadrement des paysans sur le terrain par rapport à l'utilisation des, des semences améliorées. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on a tout un dispositif qui va du niveau communal jusqu'au niveau national. Ce dispositif est composé à partir du niveau communal par les chefs de district agricoles qui sont même basés dans les communes. Au niveau départemental, nous avons des directions départementales de l'agriculture. Au niveau régional aussi, nous avons des directions régionales de l'agriculture qui font la remontée de l'information du niveau communal à travers la vulgarisation de base jusqu'au niveau départemental, régional et au niveau de la Direction générale de l'agriculture qui transmettent, il y a des rapports périodiques qu'on transmet au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc euh, il n'y a pas de problème d'encadrement euh, au niveau national il y a un dispositif, mais en fait, le, le personnel est insuffisant, quoi. Par exemple, pour un chef de district agricole, il doit encadrer au moins 10 villages, mais maintenant vous pouvez trouver sur le terrain un chef de district agricole qui encadre 30 à 40 villages. Issoufou Salami, quelles sont les catégories et souches des semences améliorées, vous qui êtes ingénieur agronome Oui, sur la recherche, peut-être que euh, je vais commencer d'abord par euh, parler de la structure. Ma structure, c'est l'unité semencière l'unité semencière, c'est une structure qui est rattachée à la direction scientifique. La mission d'abord, c'est d'assurer la production de semences de qualité à l'INRAN, de contribuer à l'installation d'un système semencier viable et durable au Niger, de produire et diffuser les semences de pré-base et base des variétés performantes. Ça veut dire quoi, pré-base et base Pré-base, je vais revenir là-dessus. Ok, allez-y. Parce les pré les, et bases, donc, issus de la recherche. Donc, les variétés mises au point par la recherche et les variétés exotiques qui sont venues, en tout cas à travers les relations qu'on a avec les, autres institutions de recherche de la sous-région. Donc, et renforcer aussi la capacité des acteurs semenciers privés et aider à la mise en place, on a aidé à la mise en place de la législation en vigueur qui est en vigueur maintenant. Donc, pour revenir euh, au niveau des semences, nous avons environ trois catégories, si on peut l'appeler trois catégories, parce que la première, c'est les semences de base le matériel de départ qu'on appelle G0. Et en dehors du matériel de base, nous avons les prébases, les bases et les certifiés. Ça, c'est purement technique. Voilà, euh, les bases, les bases, les prébases et le matériel de départ est utilisé pour faire les prébases. Et les prébases, là, c'est en fonction du coefficient de multiplication. Le coefficient de multiplication, c'est quoi C'est le nombre de graines qu'une seule graine peut donner. En fonction de ça, maintenant, on peut faire les générations, les différentes générations, G1, G2, G3. Ça, c'est ça les prébases. Donc, c'est pour augmenter et de la quantité de semences désirées que l'on veut avoir enfin. Maintenant, après les prébases, on utilise les prébases, la dernière génération qui est G3 pour faire la G4. La G4, c'est ça qu'on appelle les semences de base. Et les semences de base, là, sont utilisées pour produire les semences certifiées. Il y a certifié reproduction 1 et certifié reproduction 2, que nous appelons R1 et R2. quelle est la différence de R1 R1, parce que R1, c'est la mère de R2, si vous voulez. Ah. G4, c'est la mère de R1. Vous voyez La G1, les générations là, G1, G2, G3, on le fait juste pour augmenter les quantités de semences. Parce que quand le sélectionneur met au point une variété le début, de fois, on se retrouve avec un kilo ou quelques grammes. Et ça, il faut multiplier maintenant en fonction du coefficient de multiplication, comme je l'ai dit là, pour avoir assez de semences pour arriver à la génération 4, qui est la, base. Maintenant, c'est la base là qu'on utilise, qui est la mère de R1. Et R1 est la mère de R2, en termes clairs. Voilà. Issoufou Salami, quelles sont les modalités d'achat de ces semences à l'INRA Bon, nous, normalement, nous vendons les semences mères. Nos semences sont destinées normalement aux entreprises semencières et aux organisations paysannes de production qui produisent les semences. Telles que la ferme semencière Ainoma. telles que la ferme semencière Ainoma, telles que la ferme Amate, telles que Oussaha, Alheri, Alal, c'est les grandes entreprises, les cinq grandes entreprises que nous avons présentement, en tout cas. Il y a plusieurs entreprises euh, qui vendent les semences améliorées euh, complètement. Donc, parmi ces entreprises-là, il y en a quand même qui font déjà les semences de base. Dans d'autres pays, les semences de base sont uniquement faites par les institutions de recherche. Mais chez nous, on a la possibilité, parce que toute entreprise semencière qui a la technicité de faire les, les bases peut faire ça, parce que la loi leur permet de faire les semences de base, ils ont la technicité. Donc ça veut dire que ces fermes-là, euh, ces entreprises-là sont suivies par vos techniciens En tout cas, nous marchons main dans la main. Ils ont leurs techniciens semences et nous et le service de contrôle de certification parce que il ne faut pas oublier, nous sommes aussi contrôlés par le service de contrôle et de, certification de, semences. Du ministère. Du ministère de la DGA, de la Direction générale de l'agriculture, par les inspecteurs. Mais ces inspecteurs-là sont formés par nos, sélectionneurs. Chaque sélectionneur, par exemple, si on prend le sélectionneur 1000, quand il crée une variété, c'est lui qui connaît les caractéristiques de cette variété. Donc, c'est lui qui forme l'inspecteur par rapport à telle ou telle variété. Par exemple, si on prend le cas de HKP, le Heinkere le sélectionneur qui a mis au point le HKP, c'est lui qui connaît tous les, toutes les caractéristiques de la variété. Donc, il faut apprendre, il faut montrer à l'inspecteur comment savoir qu'on est devant une variété telle que la HKP ou non. Salami oui. quelle est la différence entre ces semences améliorées et les OGM, les organismes génétiquement modifiés Il y a une très grande différence parce que les autres sont naturels. Les autres ont été manipulés par l'homme. On, met certains gènes dedans qu'on ne trouve pas dans le machin classique. Parce que l'autre, c'est à travers la sélection classique qu'on met au point les variétés améliorées qui ne sont pas OGM, parce que parmi les variétés améliorées aussi, il y a des OGM, mais sans utilisation du gène. Donc chez vous, euh, il n'y a pas euh, de modification Non, non, non, nous on ne modifie rien. C'est le naturel qu'on a. Et d'ailleurs, si on prend par exemple la, plupart de nos variétés de 2000 sont issues de nos différentes régions. Je vais vous, prendre, je vais vous donner un exemple. La HKP là, elle est issue de la région de Terra. C'est le Hainikirei de Terra qu'on a pris, on a mis au point. Donc on a épuré, on a levé ce qu'il faut, on a arrêté un cycle. Un cycle hein, et une longueur de l'épi qu'il nous faut. Et c'est là qu'on est parti. Donc on a pu déterminer un cycle pour la HKP et quelle, quelle longueur de l'épi il nous faut. C'est comme ça. Si on prend le cas du... Il y a une autre variété qu'on appelle Gergera. Gergera actif, H90GR. Ça, c'est une variété de la région de, de Tawa. De Tawa, c'est l'Ader, non Donc, c'est une variété de l'Ader. Ça aussi, on a pris, on a diminué le cycle, on a enlevé tout ce qui est chibra dedans. Tout ce qui est chibra, et on a épuré pour avoir le H90GR. Si on prend par exemple une variété qu'on appelle Zatib. Zatib, c'est deux variétés-là, on appelle le croisement de deux variétés qu'on appelle Zanfarwa et Kinibijini. C'est une variété, toutes les deux sont de la région de, Maradi. C'est pour vous dire que et les variétés de mille, de sorgho et de Nyebé, en tout cas, les variétés issues de la recherche de notre Institut national de la recherche agronomique sont presque toutes issues de nos régions, de nos différentes régions. De sorte que on n'a pas tellement de problèmes d'adaptation. Je rappelle à nos auditeurs que Mme euh, Madame Moussa Zainabou de la ferme sémencière Ainoma vient de nous rejoindre dans ce studio. Mme Moussa euh, Zainabou, euh, quelle est la vocation de la ferme sémencière Ainoma donc, euh, la ferme semencière Ainoma est une société de production et commercialisation de semences améliorées. Donc, nous avons comme activité principale la production, la commercialisation et le conditionnement de, des semences améliorées. Les semences améliorées, les semences maraîchères, des fruits et légumes, de tous les intrants agricoles en tout cas. Donc, euh, vous produisez aussi euh, Oui, nous produisons, nous produisons euh, les semences. Nous avons à peu près une capacité de production de 1000 tonnes de toutes variétés confondues. Donc, nos partenaires sont là, l'INRA, où nous nous ravitaillons en, en semences de base et de pré-base. Nous avons aussi la Direction générale de l'agriculture qui nous suit pendant tout le processus de, culture et il contrôle et certifie les semences améliorées que nous mettons sur le marché pour les producteurs. Madame Moussa Zenabou, qui sont vos clients Nos clients, nous avons comme euh, principal client, nous avons l'État, nous avons les ONG, nous avons les projets, les institutions internationales, euh, les producteurs. Je dis bien les producteurs parce que c'est notre force nous travaillons principalement pour le producteur. Et pour cela, nous avons mis un système de distribution de 70 points de vente à travers le Niger, dans les régions de Niamey, euh, Tilaberi, Dosso, Tawa et Maradi pour le moment. Donc nous avons 70 points de vente pour être plus proche du producteur. Parce que si on dit aux producteurs aujourd'hui d'aller en ville pour se ravitailler en semences, c'est un grand travail, je pense. Nous qui avons la possibilité d'aller vers eux, donc nous allons dans les villages pour créer des points de vente et la disponibilité est garantie. Madame Moussa, si par exemple moi j'ai besoin d'une petite quantité infirme de semences améliorées, est-ce que je peux me procurer de ces semences-là auprès de votre ferme sémencière Nous avons des conditionnements à partir de 100 grammes pour les semences vivrières, pour les semences euh, pluviales le mil, le sorgho, le niébé, l'arachide, le sésame, toutes ces semences, nous avons à partir de 100 grammes jusqu'à 50 kilos. Nous avons 50, 100 grammes, 250 grammes, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg et 25 kg. Ça dépend de la demande. Madame euh, Moussa Zainabou, quelles sont les variétés des semences disponibles au niveau de votre ferme sémencière Les variétés de semences disponibles, nous avons le mil. Le mil, nous avons cette année trois variétés, quatre variétés je dirais le HKP, la SOSAT, la ICMV 89-305 et la ICMV 99-001. Ça, c'est purement technique. C'est purement technique, mais euh, le HKP, on l'appelle Heinikirei précoce. Donc, euh, il y a une autre variété, la ICMV 89-305, que les paysans ont appelée Mildoubani. Mildoubani. Voilà. Donc en général, euh, après la production, les, paysans donnent des noms sur le terrain aux semences que nous, nous nous adaptons et on prend Au niveau de la ferme sémencière AINOMA, est-ce que les semences sont accessibles aux paysans Oui, les semences sont accessibles aux paysans. Je disais que nous avons les semences ici à notre siège au, au quartier Antala en face des cimetières. Et nous avons aussi 70 points de vente. Oui, mais est-ce que c'est accessible aux bourses des paysans Exactement, c'est pour ça que nous avons fait des petits conditionnements de toutes ces variétés-là, pour que ça soit accessible à tout le monde. Par exemple, pour le 1000, nous le faisons à 550, le kilo en boutique. Les 100 grammes, nous les faisons à 100 francs, pour oh. que ça soit vraiment à la portée de tout le monde. pour une meilleure atteinte des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministère en charge de l'agriculture, en collaboration avec les acteurs du secteur sémencier, se sont investis pour asseoir un cadre institutionnel favorable et durable pour faciliter la production, le contrôle de qualité et la commercialisation des semences de variétés améliorées. Les données sur les statistiques de production sémencière dans l'annuaire national de disponibilité en semences de variétés améliorées montre une situation fluctuante euh, dans l'évolution de la production. Elle est passée de moins de 1000 tonnes en 2010 à plus de 12 000 tonnes en 2015. Mais depuis 2016, on assiste à une baisse quantitative de la production. De 2016 à 2017, cette production est passée d'un peu plus de 8200 tonnes à 7 650 78 euh, euh, tonnes alors que les prévisions sur la base des objectifs sont estimées à plus de 16 000 tonnes. Issoufou Salami, comment expliquer cette baisse qualitative de production ces dernières années malgré toutes ces opportunités et ces innovations Bon, je vais tenter de répondre, mais en principe, normalement, cette question-là doit revenir au niveau de la DGA. Parce que je pense que quand même, c'est un peu lié les privés là qui produisent les semences. Ainoma vient de dire que son principal, le principal client, c'est l'État. Et quand c'est l'État, c'est un peu difficile. L'État peut acheter, décider d'acheter, par exemple, 10 000 tonnes cette année, l'année suivante, 5 000 tonnes. Et les privés, quand ils produisent, ils ont une capacité, une capacité de 1 000 tonnes. Quand ils produisent 1 000 tonnes, et qu'à la fin, ils n'arrivent qu'à écouler 500 ou 400 tonnes. C'est un problème. C'est un problème c'est un problème. C'est là tout le problème parce que normalement, les vrais clients, les vrais clients doivent être les producteurs. Donc on doit faire en sorte que les producteurs s'approprient. Il faut trouver, il faut que les, privés trouvent un créneau pour attacher, en tout cas pour avoir comme client les, les producteurs là, direct. Parce que c'est eux, mais l'État, le, le marché de l'État, ça fluctue. Quand ça monte, ça monte. Quand ça descend, ça descend. Et ça joue beaucoup sur, la production des, privés. Parce que si l'État peut, produire, nous, il nous arrive au niveau de la recherche de produire à 50 à 60 tonnes et de ne vendre que 30 tonnes. Les 20 tonnes, on peut les garder une année, deux ans. Il faut les déclasser après. Mais le privé, ce n'est pas. Oui, nous, nous sommes subventionnés par l'État. Donc tout ça, là, ça peut. Euh, en tout cas, c'est mon point de vue, mais je crois que euh, euh est là et puis Adia est là, ils peuvent vous donner leur point de vue par rapport à ça. On va revenir. Oui. Issoufou Salami, est-ce qu'il vous arrive d'effectuer les missions de terrain Oui, bien sûr, parce que nos semences, nous les produisons à travers le, tout le pays. Nous avons, c'est dans les stations de recherche que nous produisons, nous, faisons les missions de contrôle, de suivi euh, qu'est-ce que, vous, constatez sur place, euh, sur le terrain Non, sur le terrain, n'a pas, pas de problème. Sur le terrain, il n'y a pas de problème majeur. Je ne sais pas, euh, votre question, peut-être que je n'ai pas... Est-ce qu'il n'y a pas de problème d'application, de suivi de ces semences-là par les producteurs et autres paysans Si je comprends bien votre question, c'est si on amène les paysans pour voir une mission de, comment on appelle ça, il y a un terme approprié, où on prend les, les producteurs, les producteurs d'une zone donnée pour les amener pour qu'ils voient. On a l'habitude de faire ça. Oui, oui, des voyages pour montrer comment on produit les semences améliorées et comment elles se comportent en station. Sinon, au niveau des stations, nous avons des techniciens de semences qui sont au niveau des stations, des ingénieurs agronomes qui n'ont pas, ils n'ont aucun problème pour les, les techniques de production. Ils n'ont pas de problème pour cela. n'y a pas de problème au niveau des stations. Maintenant, le problème, peut-être, c'est au niveau des, producteurs. Les producteurs, comme vous avez parlé du coup, là, est-ce que les jeunes plants ou encore euh, les semis euh, de ces semences améliorées résistent aux attaques des ennemis de culture Ben oui. Au fait, c'est ça. Maintenant, on va revenir un peu aux semences de variétés améliorées. Parce que c'est quoi, au fait, les, les semences quand on dit variété améliorée c'est amélioré par rapport à l'existant, à ce qui existe. Comme, comme vous faites, il, y, a un nouveau médicament qu'on met sur le marché. Il faudrait que la nouvelle variété qui vient sur le marché apporte un plus, un progrès. En termes de rendement En, ça peut être en termes de rendement, ça peut être en termes de, goût pour le, consommateur, ça peut être en, termes, d'endurance, d'engrais, d'utilisation d'engrais, moins d'engrais, en termes de résistance aux maladies, et aux insectes. C'est ça la variété améliorée. Améliorée par rapport à ce qui existe. Vous voyez Donc, on a des variétés euh, résistantes aux aléas climatiques, donc aux insectes et aux maladies. Ça existe. Par exemple, nous avons euh, une variété de sorgho que nous appelons SSD35, qui est résistante à la cécidomie. 2000 La cécidomie, 2000 c'est une petite mouche. Les, les paysans appellent ça Iska, Iska quoi là iscan, quelque chose comme ça. Iscan, ils appellent ça iscan. Mais en réalité, c'est un insecte. Donc nous avons une variété qui est récente à ça. Nous avons par exemple la mineuse, une variété qui tolère. Parce que tout simplement, euh, l'épi est très compact. La chenille n'arrive pas à pénétrer dedans. Donc il y a, des variétés comme ça. Il y a des variétés qui sont résistantes à la chasseresse. Le mil, d'une manière générale, le mil résiste plus que toutes les autres céréales et elle s'adapte beaucoup plus à plusieurs environnements que difficiles que les autres céréales. Mais on a, même pour les autres céréales, des variétés récentes à la chasseresse et aussi bien à la chasseresse qu'aux ennemis de culture. Donc maladies et insectes. Ça, il y en a. Issouf Salami, quelles sont les autres conséquences de l'utilisation des semences améliorées Ah, les semences de variétés améliorées peuvent permettre, les recherches ont démontré qu'on peut augmenter le rendement de 25 à 40%, rien qu'en utilisant des semences de variétés améliorées. Ça, c'est un gain. 25 à 40%. Vous voyez ce que ça donne. Rien qu'en utilisant, ça, même les autres facteurs de, production, parce qu'il y en a, les facteurs de production, il y en a 52. Et dans les 52 là, il y a 8 qu'on ne peut pas manipuler. Les 8 là, c'est l'ensoleillement, c'est le vent, c'est le, le, soleil, c'est la pluie. Ça, l'homme ne peut pas. Mais les autres, les 45 autres, l'homme peut jouer là-dessus pour améliorer la productivité. Quand je dis productivité, je parle de rendement. Est-ce que les populations peuvent consommer sans conséquences euh, sanitaires Quoi Nous. nous, nous euh, laissez s'améliorer. Non, sans problème. je vous dis qu'il n'y a pas de choses. Il n'y a pas d'OGM dans nos variétés. Donc il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dedans de consommation. En ce qui concerne le mil, par exemple, euh, il y a beaucoup de semences améliorées qui ne donnent pas les tiges un peu <laughs> longues là. Et du coup, les populations hésitent ou bien traînent les pieds à, utiliser ces semences-là. Ça, ça dépend des régions. C'est une habitude. C'est l'habitude des gens. Ceux qui sont habitués à cultiver les variétés à épis ils ne veulent pas changer leur habitude. Par contre, quand, quand vous prenez par exemple la région du Difa, et de, Zander, là, une partie de la région de Zander, et ils préfèrent le mil à épicourt. C'est une question d'habitude. D'habitude. À l'ouest, là, les gens préfèrent à l'ouest, les gens préfèrent le mil à chose parce qu'ils disent que ils font leur principe, c'est les bottes. Donc, avec les épicours, là, ils n'arrivent pas à faire les bottes. Les tiges aussi, les tiges au les Tiges aussi, bon, les, tiges aussi, ils utilisent pour faire des, des, et autres. Il y a tout ça. Moi, je, je vais vous raconter une histoire. En 1980 ou 81, nous avons fait une journée porte ouverte au niveau de l'Indran Maradi, le Sera de Maradi. Quand on a fait la journée, on a, mis un mille qu'on appelle trois quarts HK. ça ne dépasse pas 50 cm de, de, hauteur, mais les épis sont là. Mais quand les paysans sont venus, ils ont dit, mais ça là, c'est un mille choses, même si tu es dedans, tout le monde te voit. Qu'est-ce que ça a à voir avec qu'on te voit dans le champ ou non L'essentiel, c'est le mille que tu vas manger, tu vas trouver le rendement important. Tu peux avoir jusqu'à 2, une tonne 5 à 2 tonnes à l'hectare. Et c'est ça l'essentiel. Mais à cause de ça, c'est des habitudes. Le mille court et puis court et loin, là, c'est des habitudes. S'agissant aussi ni bien, il y a ceux qui ne donnent pas de longs feuilles là. Oui, ceux qui ne donnent pas de fans. Oui. c'est des, ouais, c'est des variétés, choses euh, justes. Parce qu'il y a deux types de variétés. Il y a des variétés qui donnent les fans et les graines. Il y en a qui donnent que les graines parce que les fans, avant la fin de la saison, elles sont parties. Il n'y a pas grand-chose. Donc, le plus souvent, les variétés érigées qui sont comme ça debout, là, qui donnent les, fruits, ne donnent pas de fans. Donc, ça, les deux. Il y en a qui viennent nous demander les variétés à double usage. Nous appelons ça variété à double usage où vous avez les fans et les graines. Eh, et si vous voulez, les grands vous dit, prenez telle variété. Oui, allez-y, Madame Moussa Zainabou, <coughs> de la ferme Ainoma. De la ferme Ainoma. Donc, euh, comme l'a dit euh, M. Salami, je pense que c'est une habitude. Nous, nous sommes en contact direct avec le producteur. Quand ils viennent chez nous, nous leur proposons, s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, nous leur proposons, voilà, voilà, voilà ces variétés. Elles sont comme ça, elles sont, voilà leurs caractéristiques. Et maintenant, au producteur de choisir ce qu'il veut lui. Voilà. Madame Salamoto Hassan de la Direction générale de l'agriculture, euh, pourquoi euh, certains paysans hésitent euh, beaucoup ou refusent même d'essayer ces semences de variétés améliorées En fait, ce n'est pas que les producteurs évitent d'essayer les variétés de semences améliorées, mais je dirais que les producteurs ne connaissent pas les variétés de semences améliorées. C'est dans ce sens-là que j'avais dit tantôt que le ministère de l'Agriculture, à travers la Direction générale de l'Agriculture, est en train de faire des campagnes de sensibilisation régulières pour sensibiliser les producteurs nigériens. Sur l'utilité, euh, l'utilité, les euh, avantages, l'importance des, variétés de, de semences améliorées. Et comme vous l'avez dit tantôt, le ministère de l'Agriculture a institué depuis 2010 l'élaboration d'un annuaire national de disponibilité en semences de variétés améliorées. Il y a aussi l'organisation du secteur à travers euh, la recherche par rapport à, la, sélection de semences qui est mise au point et ou adoptée. Par rapport toujours à la disponibilité, il y a aussi un réseau de multiplicateurs des semences et entreprises, comme l'avait dit Madame de la ferme Ainoma. Ce réseau est comme suit. Il y a Ainoma à Nyame, et il y a Houssa à Dosso, il y a Alheri à Douki, Amate et Halal à Maradi, ainsi que plusieurs groupements dans l'ensemble des régions de Tilaberi, Dosso, Tawa et Maradi. Et puis à travers toujours les agents d'encadrement de base, de la DGA. J'avais déjà expliqué le dispositif et à travers aussi le réseau des chambres d'agriculture du Niger et les chambres régionales de l'agriculture qui sont toujours proches des producteurs. Il y a un encadrement de proximité qui s'est fait. Il y a aussi tout récemment l'APCA, une agence de promotion du conseil agricole. C'est une des facilités du FISAN, le Fonds d'investissement en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Madame Salamou mm. Hassan, est-ce qu'au Niger, il y a des zones ou des régions qui ne sont pas propices à l'utilisation des euh, de ces semences de variétés améliorées Allez-y, euh, euh, les variétés améliorées. Au niveau de la recherche, nous avons toute une gamme de variétés améliorées en fonction des différentes zones agroclimatiques. Donc nous avons des zones de, variétés qui, donnent de, de 300 à 600 mm et de 600 à 800 mm. C'est comme ça que les variétés sont réparties. Donc normalement, quand la personne vient demander une variété, on lui demande dans quelle zone, une variété 2000 par exemple. Quand vous dites que vous êtes dans la région de Niamey, de Dosso, de Maradi, on peut vous donner telle ou telle variété qui correspond à la zone. Quand vous êtes maintenant dans la région de Tawa, Tawa même, vous avez deux zones. Il y a la zone marginale et la zone, quand vous prenez la, euh, les départements de Koni, Madawa, c'est des zones vraiment qui ont dans les pluviométries de. Donc c'est en fonction des pluviométries voilà, qu'on choisit les variétés. Voilà, complètement. Hmm. Complètement. On peut vous dire que telle variété peut donner dans telle zone. Vous avez des variétés à cycle court. Le cycle court chez le mil, chez nous, c'est environ 75 jours. Le mil, le sorgho, c'est environ ça. Chez le niébé, vous pouvez avoir jusqu'à 45, 50, 60 jours. Vous voyez, vous pouvez avoir plus que ça, les 75 jours. Monsieur Salami est-ce que l'abondance des pluies, les pluviométries régulières là, euh, n'ont pas de conséquences euh, sur euh, la croissance des voilà, c'est une très bonne question parce que des fois, ce n'est pas la quantité de pluie tombée qui est importante. Elle est certes importante, mais c'est surtout la répartition des pluies. Vous pouvez avoir une bonne répartition de pluie de 200 ou 300 mm, les cultures vont boucler leur cycle. Mais vous pouvez avoir aussi 600 mm dans une zone donnée, les cultures ne pourront pas boucler leur cycle. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir en une journée 200 à 150 mm. Vous voyez, donc c'est la répartition dans le temps et dans l'espace qui est important. C'est vrai, la quantité de pluie, c'est bien, mais il faut qu'elle soit bien répartie dans l'espace et dans le temps pour que les cultures puissent boucler leur cycle. C'est ça. Madame Salamatou Hassan, euh, à quelle période de l'année peut-on utiliser ces semences améliorées Ces semences améliorées peuvent être utilisées dans les deux campagnes, je dirais. Par rapport à la campagne pluviale qui vient de démarrer, comme l'a dit tantôt Salami, il faut une bonne répartition des produits dans le temps et dans l'espace. Il y a des semences améliorées de cycle court si on prend ICM et HKP qui vont de 105 à 110 jours, et si on prend aussi le sorgho, Mota Maradi, il y a le Niébé aussi, KVX et IT90, il y a aussi le Niébé TNT, TNS98. Toutes ces variétés-là améliorées que je viens de citer sont les plus adaptées à notre zone agroécologique et leur cycle, le cycle va de 105 à 90 jours. Madame Moussa Zenabou de la ferme Sémancière à quelles sont vos difficultés Est-ce qu'il y a des problèmes d'écoulement euh, <laughs> bah, des produits je, viens. <laughs> je viens. Je suis en train de bien m'asseoir. bon, notre euh, principale difficulté, Monsieur Salami l'a dit tout à l'heure, c'est le problème d'écoulement le problème d'écoulement. Et vraiment, je dirais qu'il faut savoir donner à César ce qui lui appartient. Il ne faut pas qu'on demande des semences améliorées et que d'aucuns partent prendre des céréales pour venir mettre en place et que nous qui avons les semences améliorées, que nous avons le stock qui est là, qu'on ne vienne pas prendre. Voilà la principale difficulté que nous avons. Madame Salamotou Hassan, allez-y. Par rapport à ce qu'a dit la ferme Ainoma, cette année, l'État a pris des dispositions pour éviter les semences de mauvaise qualité. C'est dans ce sens que l'État a instruit, a donné des instructions pour s'en tenir aux quantités de semences de variétés améliorées actuellement annoncées dans l'annuel de disponibilité en semences. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que par rapport aux semences qui sont de l'annuaire de disponibilité en semences qui a été institué depuis 2010, ces producteurs-là sont suivis de la production jusqu'à la certification. Entendez par production au niveau de la DGA, en l'occurrence la direction du contrôle de la certification des semences, nous avons tout un dispositif qui est sur le terrain, à savoir des inspecteurs sémenciers qui sont même assermentés ils suivent les producteurs multiplicateurs de semences et même au niveau de la recherche, là, ils font le contrôle. Avant même le contrôle, après la déclaration, ils vont sur le terrain voir si le champ même répond aux normes de multiplication des semences. Après ça, ils suivent tout au long de l'itinéraire du semis jusqu'à la récolte. Normalement, il y a trois inspections au champ qui sont prévues par les tests et nos inspecteurs sont censés les faire au niveau du terrain. Après ça aussi, il y a l'analyse au labo. C'est au niveau toujours de la direction du contrôle de la certification des semences. On a un laboratoire national de contrôle des semences et au, niveau des régions, nous avons cinq laboratoires qui doivent analyser ces semences-là et entendre par analyse de ces semences, vérifier, ça là c'est après récolte, vérifier le taux de germination, la pureté variétale, et tout un tas de critères quoi, que la direction du contrôle de la certification des semences est censée vérifier à travers le dispositif. Et cette année aussi, c'est la première fois parce que les tests disent au niveau, maintenant on ne parle même pas de semences améliorées seulement, mais certifiées aussi. Cette année, par rapport à ce que j'avais dit tantôt, la distribution de semences via les bons électroniques e il y a toutes disposi des dispositions qui ont été prises pour amener les fermes sémencières à certifier leurs semences. Madame Moussa Zainabou, Donc, euh, je disais que j'étais parfaitement d'accord avec ce que Madame vient de dire. Je confirme aussi parce que nous sommes euh, des semenciers et nous suivons toutes ces règles. Eux, ils sont derrière nous, si je, <laughs> je peux le dire, euh, pour certifier ces semences-là. Bon, comme je disais, la principale difficulté qu'on a, c'est au niveau du prix de production. Je prends un exemple, je peux amener une facture pro dans une institution et quelqu'un d'autre du, domaine peut amener une proforma concurrente. Nos prix ne peuvent pas être les mêmes parce que lui, il n'a pas été contrôlé, pas certifié et il n'a pas de charge. C'est quelqu'un qui est parti prendre au marché pour venir euh, proposer. Donc nos, nos prix ne peuvent pas être la même chose. Tout à l'heure, Madame Moussa Zainab, vous disiez que vous êtes un peu représentée un peu partout sur toute l'étendue du territoire mm. national. Est-ce que là-bas aussi, euh, les paysans peuvent avoir accès à vos produits Bien sûr, les paysans peuvent avoir accès. Je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a des, petits conditionnements. Parce que même si le, le paysan est réticent à acheter, je vais ouvrir une petite parenthèse. Euh, dans notre système marketing, nous faisons beaucoup de campagnes de démonstration. Les campagnes de démonstration, ça veut dire que quand on vient dans un village, on s'arrange avec euh, le chef de village qui nous trouve un producteur et qui a un endroit accessible à tout le monde. Donc, nous le fournissons en, en engrais, en semences, et il nous fait la production. Nous le suivons comme la DGA nous suit aussi après la campagne, nous faisons une journée porte ouverte. Nous appelons tous les producteurs du village pour qu'ils viennent voir de visu ce que ces semences-là ont donné. Et je vous assure que partout où on a été, le rendement n'est même pas comparable aux semences traditionnelles. Donc les, les, paysans commencent à comprendre euh, l'importance de l'utilisation. gens sont en train de voir d'eux-mêmes maintenant. Parce que en 2006, on a commencé le système de points de vente en, 2007-2008. Nous étions à 10 points de vente et nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près 1,5 million. Donc euh, à ce jour, nous sommes à 70 points de vente. Nous sommes à un chiffre d'affaires d'à peu près une trentaine de millions. Madame Salamatou Hassan, vous avez quelque chose à ajouter rapidement C'est pour compléter par rapport au prix concurrentiel dont elle avait fait cas tantôt. Je vous l'avais dit aussi que cette année, l'État a pris toutes les dispositions. Par rapport à la commercialisation des semences, les textes sont clairs. Il y a des agréments qui sont délivrés par euh, le ministère en charge de l'agriculture pour la commercialisation des semences. Et cette année, seuls les distributeurs agréés ont droit à postuler au marché des semences de l'État. Même par rapport aux projets qui sont sous tutelle, on a exigé ça. L'État a pris toutes les dispositions cette année pour éviter les semences tout venant. Rapidement, Issoufou Salami, proposez-nous quelques pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs de la fin zéro d'ici 2021. Ah, bah, je ne sais pas, c'est que... rapidement, rapidement. c'est que les, producteurs utilisent les, semences de variétés améliorées, c'est ça. Il faut qu'on arrive à atteindre euh, au moins 30% d'utilisation de variétés améliorées, au moins 30%. L'utilisation mondiale se situe maintenant à 32, 32,5% de semences certifiées. Donc, euh, ça, c'est le monde. Au Niger, nous sommes à 8 à 10%. CDAO, je crois, 12%. Tous les pays de la CDAO, d'un pays à un autre, ça peut. Chose. Si on arrive à amener, d'ailleurs, je crois que c'est dans le, projet du gouvernement d'amener l'utilisation là à 30%. Si on arrive à 30%, c'est déjà une très bonne chose. On peut augmenter la production. Madame Moussa, ouais. vous rapidement proposer quelques pistes de solutions pour l'atteinte euh, des objectifs euh, de la fin zéro. moi, ce que je dirais, je, vais rejoindre euh, <laughs> <laughs> M. Salami. L'agronome. Je vais vraiment le rejoindre parce que les résultats sont par là. Quelqu'un qui utilise les semences améliorées et les semences traditionnelles ne peuvent pas avoir les mêmes résultats. Il faut qu'on produise pour produire pas pour manger. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Salama Hassan, directrice du contrôle et de la certification des semences à la Direction générale de l'agriculture au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Issoufou Salami, ingénieur agronome, coordonnateur de l'unité sémencière à l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRAN et Madame Moussa Zainabou de la ferme sémencière Ainoma. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme Digidio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.